Un réveil très brutal ce matin à Ziguinchor. Une partie du plus grand marché de la ville est partie en flammes. Les cœurs sont meurtris. On a mal au cœur. On a mal au cœur Dame est un commerçant établi dans ce marché. Il a regardé impuissamment son magasin brûlé. c'est ça, mon dépôt et tout, tout est brûlé. Hein? Ouais, tout est devenu un cendre. Tout a commencé vers 6 h du matin, nous révèle Papunyaï qui fait partie des premiers à arriver sur les lieux. Des heures après, les flammes ont été circonscrites par les soldats du feu malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Nous avons rencontré quand même euh, quelques difficultés relatives euh, à l'accessibilité. Les autorités municipales trouvent comme solution urgente le réaménagement du marché. La solution urgente, c'est de réaménager le, marché. Il faudrait euh, quand même qu'il y ait des accès très, euh, très dégagés. En attendant, il faut noter que plusieurs centaines de millions de francs CFA sont restés dans cet incendie dont l'origine n'a pas été communiquée. ci la zigan NIKI ni niki ci bu marché bu mag bu ville bi di xol yi métti nañu. wax deug yalla luñu bet la métti na ba fa métti di yem. ab commerçant la bi nga xamanteni mu ngi yëngu ci biir marché bile mom dafa xol am magasin am mu lak ba jeex tak depo bi aussi la des bagage yi presque moom. y beaucoup de dégâts matériels quoi. lépp mu ngi door ci jamono 6h du matin bu ñu diko ci pap ndjay di kenn ci ñi nga xamante ñu ñëk yeksi ci bërepp ba. yi fi njëkk a nekk trois personnes yi fi njëkk nekk. C'est laa bokk. c'est vers 6 h et ay waxtu ginaaw lolé sapeur pompier daal di fay lak gi même su fekkente ni jankonté nañu ay Jafé, jafé ci site bi. dafa am quelques difficultés moy manam accessibilité bi parce que gis ngeen magasin ñu ñu pour nga accéder day day métti. autorité municipale fas réaménager li di marché bi. war nañu am ay voies dégagées yo xamné buñu amé ñu euh, ay incendie comme fii que sapeurs-pompiers mën a dugg ci biir. laata loolee nak nañu japp ni ay téméri téméri millions ñoo dess ci làkk gi li nga xamante ne waxuñu li ko sookee.